Ouais. merci, Birama. Merci. Hein. Donc là, bon, là, on, a, est déjà à une heure de temps, je pense. Donc, euh, si vous avez encore des contributions, voilà, des questions, donc c'est ouvert. Hein. Vous pouvez poser vos questions. Là, on va essayer de, de conclure dans 10 à 20 minutes. Voilà. Aussi, Nourou aussi, bon, si toi aussi tu as un sujet, quelque chose à nous partager aussi, bon. Voilà la parole. Nous, ce que je veux conseiller à toutes les personnes, c'est de faire les formations gratuites de s'auto-former d'abord sur le sujet avant de faire quoi que ce soit. Là, j'ai vu récemment, bon, moi j'ai fait Code. La formation est gratuite et vraiment c'est c'est vraiment très haut niveau. Ils font passer des tests aux gens, mais je pense que ces tests-là sont faisables pour tout le monde. Et ils te donnent une semaine, voire deux semaines. Pour y postuler, c'est learning.chaincode.com. J'ai vu aussi une autre initiative qui s'appelle Kala.dev, donc Q-A-L-A.dev. Et eux aussi, je pense qu'ils ont, ils font des sélections et tu peux faire une formation là-bas. Après, à côté de ça, de la même manière que moi, je fais des vidéos, etc., en all-off, gratuite. Vous avez beaucoup de documentation gratuite sur le net. Et aussi, si vous êtes un programmeur, vous connaissez les langages orientés objets. Vous êtes à l'aise, moi-même, vous êtes à l'aise juste avec la programmation et tout. Vous pouvez aller faire un tour au niveau euh, du repo GitHub de Bitcoin. Vous avez tout, en fait. Vous avez les tests. Vous avez les pull requests. Vous avez les codes sources. Vous avez euh, les problèmes que les gens remontent, les issues. Vous avez toutes les informations à votre disposition pour connaître, pour comprendre, quoi. Maintenant, je sais que l'une des limites principales, et ça c'est pour répondre à Manu sur une chose tout à l'heure, c'est l'anglais. Si aujourd'hui l'Afrique est derrière, entre guillemets, concernant cette innovation-là, c'est parce que quasiment toute la documentation est en anglais. Et donc c'est pour ça que nous, on essaie de le faire en Wolof. Mais franchement, c'est abordable pour tout le monde. C'est le conseil que je vous donner à tout le monde. Merci, hein. merci donc, il y a, quelqu'un, pense, veut poser des questions. Oui, merci, Nous, euh, et tout le monde, l'assistance. Je m'explique, j'avais des problèmes dans, la première partie. Mais je vais pour reste. Mais je voulais poser une question. D'abord, euh, Ben ça prend du temps bien moi, ça a pris un mois pour qu'ils me répondent et qu'ils me, fassent, qu'ils me fassent passer les tests. Après, dès que tu passes les tests, moi, dès que tu les réussis, ils te contactent. Après, ils te font passer un autre entretien de 15 minutes en anglais. Et après, c'est bon. Hein. Super, cool. Voilà, Merci, merci. beaucoup. et merci de l'initiative, vraiment, quoi. C'est très, très important pour euh, promouvoir toutes ces connaissances, cette liberté de, de, de, ñoo ko ouais là c'est un match qui faut le donc juste un peu pour rebondir on va essayer de poser une question voilà après si on n'a pas d'autres questions on va essayer de, de conclure tout ça. donc moi euh, la question que je viens de te poser donc euh, comme que toi Nourou voilà là actuellement tu es, tu es en train de partager des cours des tutos voilà des formations pour essayer de voilà de sensibiliser les gens un peu sur euh, c'est ce qu'on va faire avec euh, les crypto-monnaies, Bitcoin, et ainsi de suite. Donc là, moi, j'aimerais savoir, est-ce que, est-ce que tu sens vraiment, voilà, est-ce que tu sens vraiment que il y a un impact, voilà, sur les gens parce que moi, je me dis que, bon, c'est bon, tout ce qui est crypto-monnaie, voilà, blockchain, voilà. Donc, je connais, bon, actuellement, bon, personnellement, je connais déjà une communauté. Je pense que ça s'appelle euh, Dakar Bitcoin Developers, si je ne me trompe pas donc moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu sens l'impact, voilà, et que est-ce que les gens sont motivés, voilà, sur, voilà, sur les cours que tu fais, voilà, les tutos que tu fais, est-ce que tu sens que vraiment les gens ont la motivation de, voilà, ils s'y intéressent à 100%, voilà. Ou est-ce que peut-être que, ou est-ce que peut-être, il y a peut-être, bon, comment je vais dire ça même <laughs> Est-ce que tu sens pas qu'il y a un manque de motivation quoi, ici au niveau des, jeunes Parce que tout ce qui est développement, bon, personnellement, moi, je, bon, j'ai très, j'ai très récemment connu que, voilà, tout ce qu'on peut faire avec, euh, bon, même si je sais que tout ce qui est technologie crypto, voilà, tout ça, c'est basé sur la programmation informatique, Voilà, aussi la partie sécurité, comme tu l'avais dit tout à l'heure. Mais quand j'ai su qu'on pouvait faire tellement plein de choses avec, euh, voilà, les blockchain, les crypto-monnaies, voilà, toutes les mm. applications qu'on peut faire avec. Donc, moi, je me suis bon, récemment intéressé à ça. Donc là, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un engouement derrière, voilà, sur les cours que tu fais, voilà, les choses que tu parles. Est-ce que tu sens que les gens qui te suivent, voilà, sont engagés, voilà, ainsi de suite. non, euh, les gens ne sont pas dedans. Euh, mais c'est, on va dire, c'est un peu partout hein, dans le monde. Parce que le problème vient de loin. Le problème vient déjà du fait que les gens ne connaissent pas l'argent. Beaucoup. Les gens ne savent pas c'est quoi l'argent. Comment fonctionne l'argent. Pourquoi 1 euro égale 655 francs CFA, parfois 652, parfois 653. Tu vois, pourquoi 1 euro égale 0,80 dollars. Tu vois, pourquoi déjà il y a l'euro, le dollar, le franc CFA. Donc, si tu, si tu ne t'intéresses pas déjà à ces questions de finance, tu pourras pas vraiment comprendre l'impact de Bitcoin. Moi, j'ai eu la chance de faire la finance, mais aussi d'être informaticien autodidacte. Donc, j'ai pu faire le lien facilement entre les deux. Mais à chaque fois que je parle avec les gens, quand ils regardent Bitcoin, ils le voient de loin. Genre, déjà, c'est quoi ça, cette monnaie, cette crypto-monnaie, cette monnaie que tu peux pas tenir dans tes bras. Alors que nous vivons déjà avec des monnaies virtuelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les francs CFA que les gens utilisent c'est soit à la banque, ils ne le voient que sur leur application mobile, soit dans leur calpé. Ils ne le voient que sur leur téléphone. Donc l'argent est déjà virtuel. Donc cette excuse de ça c'est une monnaie virtuelle, elle ne fonctionne pas. Deux, les gens te disent oui, mais on ne connaît pas Satoshi Nakamoto, on ne connaît pas qui est derrière, etc., etc. Mais dites-moi, qui sont derrière les banques centrales qui contrôlent nos monnaies Personne ne les connaît. À part un petit nombre d'initiés, personne ne les connaît. Aujourd'hui, qui d'entre vous connaît vraiment le fonctionnement des banques Tu vois Donc, le problème de Bitcoin et des crypto-monnaies, c'est déjà un problème de culture financière. Les gens ne connaissent pas vraiment comment fonctionne l'argent et toutes les structures qui sont autour. Quand on parle d'inflation, quand on parle de déflation, en fait, mon si qui est sénégalais, ça les sous. Il ne veut pas être intéressé par ça. C'est plus moi, je gagne de l'argent, c'est tout. Même si cet argent-là, quand tu le gagnes, ça perd de la valeur. Et là, tu ne comprends plus vraiment. Quand on était petit, avec 100 francs CFA, aujourd'hui, 100 francs CFA, tu peux rien acheter. Tu vois. Donc ça, c'est le premier problème. Maintenant, le deuxième problème, c'est la partie technique. Parce que dire aux gens, il faut avoir un portefeuille il faut avoir sa clé privée, garder sa clé privée. Pour ton adresse dans laquelle tu reçois des crypto-monnaies, c'est le H de ta clé publique, etc., etc., les gens s'y perdent. Donc, c'est trop complexe pour le moment. Même quand tu vas ouvrir un compte dans un exchange, c'est complexe. Le temps que tu te familiarises vraiment sur comment acheter, comment vendre, comment envoyer, comment recevoir, etc. Donc, l'UX, actuellement, est très, très, très bas c'est vraiment du bas niveau. Tu vois. Donc, une des choses à améliorer peut-être pour, augmenter l'adoption des crypto-monnaies, c'est l'UX. Après, on a parlé de l'aspect financier. On a parlé de l'aspect... La troisième chose, c'est l'aspect philosophique. On n'est pas habitué à garder notre argent nous-mêmes. C'est psychologique. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont préférer mettre tout leur argent à la banque ou bien dans leur calpé mobile money. Parce que si jamais il se passe quelque chose, bon, au moins, ils sauront que c'est pas eux, mais qu'on va les rembourser. Alors que si tu gardes ton argent toi-même, tu es responsable toi-même. Donc tout cela font que, à mon avis, il y a vraiment beaucoup de frais à l'adoption des crypto-monnaies, notamment à l'Afrique de l'Ouest. Et si tu compares l'Afrique de l'Ouest francophone à l'Afrique de l'Ouest anglophone, les anglophones sont devant depuis longtemps. Pourquoi Parce que c'est la mentalité anglophone. Et que là-bas, ils essaient avant de critiquer. Chez nous, on critique d'abord. Et lorsque quelqu'un euh, fait un retour d'expérience, je vous dis une chose, si jamais demain, un gars connu, ou bien une fille connue, sortait sur la net, sur Twitter, ou bien Facebook, un Sénégalais ou bien une Sénégalaise, et disait, il y a quelques années, j'ai acheté pour on va dire 10 000 euros de bitcoin, maintenant je suis millionnaire, tu vas voir tout le monde acheter. Parce que c'est le gain que les gens cherchent, mais ils ne cherchent pas vraiment la philosophie derrière, quoi. Donc tout cela fait que les gens ne sont pas très motivés. Donc ça revient à me poser la question, mais pourquoi moi je fais ça Parce que dans quelques années, si je fais pas ce que je fais là, quelqu'un va se réveiller et va dire, mais pourquoi je savais pas ça Tu vois Alors que là, j'essaie de partager le savoir de telle sorte que tout le monde soit au courant. Que demain, tu puisses pas dire je ne savais pas, quoi. Parce que je te dis une chose. Dans quelques années, tous les commerces là qu'on va utiliser, tu vas avoir la possibilité de payer en bitcoin. Les salaires vont être payés en bitcoin. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que tous les États sont en train de faire leur, leur propre crypto-monnaie. Mais personne tout le monde ne va pas utiliser leur crypto-monnaie. Les gens, certains vont vouloir garder tout le genre de bitcoin. Tu vois? Donc, euh, les crypto-monnaies, ça va être vraiment la norme, quoi, dans quelques années. Donc là, c'est le début, notamment dans nos pays. Mais ça va, on va continuer, Inch'Allah. Euh, bonsoir les gars, merci déjà pour euh, l'initiative. Bonsoir. Euh, vraiment, on a pris beaucoup d'informations et de très, des informations très importantes concernant le Bitcoin et tout ce qui est la cryptocurrency, disons. en fait, ma question même, elle a été répondue. Ma question, elle s'approche de la question de Daouda. C'est quand il parlait que j'ai eu cette idée. Parce que comme nous l'a si bien dit, en fait, on n'a pas la culture de l'argent. Et moi, par exemple, dernièrement, on m'a parlé de DeFi. Quand on m'a dit DeFi, bon, je me suis dit, c'est quoi DeFi Après, on m'a dit Decentralized euh, Finance. Après, c'était tout un problème pour moi de, de comprendre Decentralized Finance parce que déjà, le Centralized, je ne le comprends pas bien. Et déjà, l'OLU, c'est un. Le fait que, bon, il y a ce c'est donc, bon, je sais pas, c'est une culture qu'on n'a pas de, comment fonctionne l'argent et tout. Donc, euh, ça, je vais pas répéter parce que qu'on revient de l'expliquer d'une manière très claire. Et euh, il y a des personnes qui me disent, ouais, c'est il y a comment j'entends beaucoup parler de, de crypto-monnaie, de bitcoin et tout ça. Comment se faire de l'argent avec ça Comment se faire de l'argent avec cet argent-là, en fait donc euh, c'est comme si on se dit tu as du CFA da donne euh, de euro pour am comment comment ça se fait donc après c'est c'est très compliqué pour moi de de les expliquer parce que déjà c'est pas compris par moi-même donc euh, la question c'était comment en fait comment convaincre ma mère ou ma grand-mère l'expliquer carrément c'est quoi de manière très simple de manière boo elle va comprendre et se dire ouais je vais je vais investir euh, sur le Bitcoin et investir, euh, comment ça se passe, genre le fait que, comment on y gagne de l'argent et pourquoi je devrais investir en cela. Donc, comment expliquer de manière très très simple euh, aux citoyens lambda comment ça fonctionne et comment on, on, peut en tirer, disons, des bénéfices et tout ça. Mais je pense que la question a été répondue. Donc, euh, déjà, je vous remercie pour l'initiative et voilà. Merci beaucoup. Merci, merci, grand. Euh, la plupart du temps, je prends comme exemple juste euh, les moutons, tout simplement. Mais imaginons, on sait que chez nous, ils sur le plan religieux, historique, etc., on a besoin de moutons pour les baptêmes, pour les, pour les deuils, pour euh, la tabaski, pour, le magal, pour le gamme, etc. Légui, imaginons, on te dise au Sénégal, cette année, il y a 100 000 moutons. Pour une population, je ne sais pas de combien de millions de gens. Selon toi, combien vaudrait un mouton simple Extrêmement cher. Mais si demain on te dit, au Sénégal, il y a 50 millions de moutons. Donc le Bitcoin, c'est un élément, c'est un actif, c'est limité. Maintenant, quand on dit mouton, c'est pour pouvoir manger quand on dit Bitcoin, c'est pour pouvoir garder son argent, c'est pour pouvoir échanger. Donc, c'est tout ce dont on a parlé tout à l'heure. On est dans un monde actuellement, comme tu l'as dit, il faut déjà comprendre la centralized finance. Aujourd'hui, le 1000 francs CFA que vous avez aujourd'hui n'est pas le, 1000, le même 1000 francs CFA que vous aviez l'année dernière. Parce qu'il a perdu de la valeur. Pourquoi est-ce qu'il a perdu de la valeur Parce que de la même manière que si tu avais 100 000 moutons et que de tout à coup, on rajoute, on va dire 100 autres 000 moutons, donc 200 000 moutons, le prix des moutons va baisser. L'argent, c'est pareil. Les banques centrales, chaque année, non, là actuellement même c'est chaque mois, elles impriment de nouveaux billets et les mettent en circulation. Donc ça, ça fait que le prix, en fait, la valeur de ton billet baisse. Mais de l'autre côté, la personne qui vend un truc, elle se dit, mais puisqu'il y a plus de billets, donc les gens sont censés être plus riches, donc moi je vais augmenter le prix. Et donc, c'est ça qui crée l'inflation. C'est pour ça, une maison dans un même quartier, cette année vaut 10 millions, l'année prochaine, 12 millions. Tu vois. Mais ça, ça aurait, été logique si, de la même manière que le prix de ces maisons augmente, là, nos salaires augmentent. Mais les salaires n'augmentent pas au même niveau. Ça aurait été logique aussi si les impôts baissaient, parce qu'il y a plus de biens en circulation mais les impôts augmentent. Donc les gens s'appauvrissent. Maintenant, tu as, tu as le choix. Soit l'argent là, au lieu de le garder, si tu as la possibilité de le garder 3 ans, 4 ans sans dépenser, au lieu de le garder à la banque et que ça perde de la valeur, au lieu de le garder chez toi et que ça perde de la valeur et que tu prennes le risque de te faire voler ou bien que ce soit détruit, tu as la possibilité maintenant de te protéger. Avant, ce que faisaient nos parents, c'était ils achetaient de l'or ou alors ils vont acheter une maison. Tu vois, ils vont acheter un terrain. Donc le Bitcoin, c'est juste une nouvelle alternative à ça. En sachant que tu peux le garder sur une clé USB, tu peux aller partout avec. Voilà quoi. Tu n'as pas à gérer euh, les papiers pour le terrain ou bien les papiers pour la maison. Tu n'as pas à gérer tout cela. Tu prends juste ton argent, tu le transformes en Bitcoin et tu le gardes dans ta poche ou bien quelque part. Donc, moi, c'est comme ça que j'explique le Bitcoin facilement. Et vraiment, si tu veux donner un exemple, si tu veux convaincre quelqu'un, il faut juste, si tu en as la possibilité, tu prends un petit 10 000 francs CFA, ou bien, je sais pas, un petit montant, tu achètes des sats. Donc, ce sera 0,000 quelque chose Bitcoin. Et tu gardes ça pour lui, ou bien tu lui expliques comment garder ça. Déjà, tu lui montres comment télécharger un portefeuille virtuel, garder les 12 mots là, ou bien les 24 mots, garder son argent et tu expliques. Donc chaque mois, bon, on va pas dire chaque mois, mais chaque trois mois, chaque six mois, il vient, tu lui dis alors, où est-ce que tu en es avec tes crypto-monnaies Et donc si tu es dans une période comme ça, depuis janvier, où le Bitcoin est passé de 30 000 dollars à 60 000 dollars, la personne, elle va comprendre en fait. Ça a pris de la valeur. Et lorsque ça perd de la valeur, à toi de lui expliquer aussi pourquoi. Mais dans tous les cas, elle va comprendre tu vois, en dans le truc. Parce que tant que tu n'as pas possédé des sats, tant que tu n'as pas un portefeuille virtuel, tu ne peux pas comprendre, quoi. Grosso moi, c'est ça que j'ai fait avec mes amis, avec ma famille aussi. Et aujourd'hui, la plupart des gens, bah voilà, ils possèdent des crypto-monnaies. Ils n'ont même plus besoin de moi pour acheter, pour vendre ou bien pour garder leurs crypto-monnaies, quoi. D'accord. Merci pour la réponse. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ah, donc euh, Nourou, Daouda, euh, je vous salue tous. Moi, c'est Medoun, Medoun Sibi Georges Baldé. Donc, avant tout, j'aimerais vraiment vous remercier parce que tellement affaire yi leer quoi parce que mon affaire yi dafa xawoon jaxasoo sama sama bopp bi moo souvent dama doon xaw a réticent par rapport à bitcoin mais vraiment tellement par rapport ak réponse yi yi nga joxe moom leer na leer na vraiment te j'espère am genre def toog yi plus souvent parce que comme ni nga doon waxee rek souvent nit yi peut-être ignorance bi mooy tax ba du ñu ñemee def affaire yu te fii Sénégal moom amuñu notion di utiliser xaalis ci yenn yi déjà si soo xoolee si Orange wala Wave yi sax dafa ñu bëri déjà peut-être génération yi xaw a jeunes yi sax ñoo ko jënd comprendre que que yi te souvent mag yi ñoo ëpp xaalis que jeunes yi donc souvent dañuy am problème boobu donc man souvent kii bi ma kii li ma li ma jon jaaxal mooy li ma bëggoon nga xaw ma éclaircir mooy peut-être fii Euh, est-ce que c'est possible wala c'est sûrement possible mais quels sont les moyens yoo xam ne dinañ ko mën a par rapport ak franc CFA bi nga yore nga mën ko transférer jënd ci bitcoin te soo demee ba am bitcoin naka ngay mënee def inverse bi ba mun amaat ko en franc CFA donc man processus boobu noonu moom laa bëggoon xam ouais C'est question question importante donc lolo déjà tu as certaines solutions en place euh, je pense que nous bëri utiliser Paxful am na ñeneen utiliser Ejara euh, je sais pas je sais pas Bilance, Binance da koy def si am utiliser Bilance, dañuy utiliser dans tous les cas une nga solution yooyu noonu mais man li ma lay conseiller la meilleure solution parmi toutes celles toutes et quoi moi pire, pire pire tu vois mais euh, dem ci yenn groupe spécialisé parce que ça existe am Sénégal am ay nit moi je connais des gens qui ont des multiservices au Sénégal yoo xam ne da ngay dem ñu jaay la bitcoin après bon ñoom dinañ la jaay on va dire 15%, 10-15% <laughs> plus cher que prix normal bi mais c'est le prix on va dire de l'anonymat alors euh, li may avis bi may pas un avis populaire mais benn affaire bu may défendre exchange yi maanaam broker yi mooy li ma fi tudd yi yëpp plus ay ñoom euh, Binance ay ñoom Kraken ak yooyu ay ñoom Coinbase dañ lay laaj say document donc dañ lay laaj nga joxe information sur yow mais problème bi mooy ñooñu à chaque fois on a vu à travers l'histoire ils se font tout le temps hacker donc nit ñi dañuy récupérer information yooyu noonu ñu mettre ko en relation avec yow sa adresse Bitcoin dinañ mën a xam au final yow kañ nga yónnee say bitcoin fan nga ko jëlee ak yoy ak yoy donc moi ce que je conseille c'est d'utiliser les réseaux peer-to-peer wala d'utiliser les solutions peer-to-peer solutions peer-to-peer non nak euh, la majeure partie du temps ay États-Unis la ñuy wala ay France mais fait fekkee Sénégal je conseille yenn groupe Telegram yi wala yenn groupe Facebook yi nga xamni les gens sont sérieux wala nga xam kenn ko xamni directement mom day jënd jaay yoy nga wax ak mom quoi après bon je pense que am na fi bon comme c'est déjà quelqu'un qui travaille pour solution yooyu noonu il est en train de bosser sur une solution comme ça après on va nañ la plus en détail quoi. Euh, bon pour, pour, apporter une, solution à ça moi j'ai déjà essayé un cas qui est au Sénégal je l'ai trouvé sur le groupe euh, Bitcoin j'ai affaire des transactions avec lui sur Telegram et Inefiant. Après, si vous voulez, je peux vous partager son numéro. Lui accepte des bitcoins contre des CFA. Il va te l'envoyer par Orange Money ou par Web. Et vice versa. Oui, nous les lay mais je pense que Medoum lañ déggatul. peut-être qu'il a un problème avec ce micro. Ouais, donc je pense que intervention bu bu Biram def c'est cool hein. Bon même bon même moi je pense que personnellement pense que j'avais vu un gars. Donc le gars, lui, euh, il travaille sur l'équipe, hein, tout ce qui est en Voilà, transfert d'argent, quoi. Je l'avais vu un jour faire partager, quoi, sur WhatsApp. Une affiche, quoi, disant que, voilà, si vous voulez des bitcoins, vous pouvez l'appeler directement, vous faites la transaction, quoi. Donc je pense que ça aussi, bon, ça peut être une solution à court terme, quoi. Voilà, pour, euh, pour commencer à tester Donc là, je pense que là, on est bon. Ce fait qu'il n'y a pas d'autres euh, questions, interventions, on va, laisser à nous voilà, conclure, voilà, donner ses conseils et de suite. Donc on va essayer de, faire ça le plus souvent possible. Peut-être que même dans le futur, on va essayer de faire un, petit atelier avec nous, voilà. Aller sur la partie pratique, Comment développer avec les crypto-monnaies voilà. C'est à Et, bah, merci, merci déjà Daouda pour organiser les, Merci à Medoun pour l'idée. Merci à Yenine, vous étiez là depuis le début. Euh, dans le monde de la crypto-monnaie, on dit tout le temps, don't trust, verify. Il, faut, faut croire en personne. Tu vois, tout le temps, allez vérifier vous-même les informations, allez vérifier vous-même comment ça se passe. On va checker le pourquoi. Et aussi, on demande tout le temps aux gens de faire leur propre recherche. C'est-à-dire, malgré tout ce que nous reproduisons ici, s'il a dit s'il a défini par exemple un terme, vous allez vérifier vous-même sur le net. Il ne faut jamais croire sur parole quelqu'un dans ce monde des crypto-monnaies. Bon, là, on les conseils, votre monde. Après, euh, je, je suis disponible quand vous voulez et pour tout ce que vous voulez. Parce que l'idée, c'est vraiment euh, parce que j'ai toujours mal au cœur quand je participe à des trucs au Hamni. je suis peut-être le seul africain Hamga. Voilà. s'il y a un autre africain c'est un africain anglophone c'est-à-dire un Nigérien ou un Ghanéen quand il s'agit du bitcoin ou bien des crypto-monnaies comme ça qu'on va faire les autres vont s'enrichir comme d'hab et nous on va rester derrière donc l'idée c'est vraiment d'intéresser euh, les gens et quand il s'agit de la communauté de développeurs de les intéresser à ça, de les aider à ça pour qu'ils puissent construire des solutions dessus, qu'ils puissent créer des startups, créer un business dessus. Moi, c'est ça mon objectif. Donc, moi, je suis disponible quand vous voulez, guys. Merci beaucoup. Hein. Et bon, prochaine fois, si, on peut le faire en Wolof, je pense que moi, t'en hein. non Ouais, super, hein, ouais. Je pense que next time, on peut le faire, le faire en Wolof, quoi, Voilà, donc, je pense qu'après, on va même essayer de se linker, voilà, Voilà, peut-être qu'on va essayer de trouver un autre sujet intéressant, voilà comme je l'ai dit, on peut aussi faire des, séances de, de on va montrer par la pratique voilà, comment développer. Voilà, Donc merci encore, hein, merci à vous tous pour votre présence. bon dimanche. on va essayer de, comme je l'ai dit, on va essayer de respecter un calendrier. Bon, ça va être difficile, hein? on va essayer de le faire, Inch'Allah. donc merci ah merci. merci. waaw jërëjëf ñoom. jërëjëf ñoom tamit ñu ngi leen di bu baax. ñu ngi leen di defal plan bu